Kies Fashion Show, le rendez-vous incontournable des fashionistas, un défilé de monde exceptionnel qui regroupe à la fois de grands stylistes, maquilleuses, coiffeuses, accessoiristes. Ce sera pour quand Le 7 janvier 2023 à la salle Auchan en face du stade Magnan Soumaré de Thiès à partir de 20h. La deuxième édition de Thiès Fashion Show est placée sous le thème de From Africa to the World et la soirée dédiée aux grands entrepreneurs de la région de Thiès. Qui sont les parrains et marraines de cette grande soirée Monsieur Parfait fondateur de la marque Parfait Monsieur Abdullah Hadgey, fondateur de la marque Algey Dakar, Monsieur Mansoursi, fondateur de Kajor Art, Madame Ramadjaou, styliste et fondatrice de la marque Ramadjaou, Madame Soufi Zingassi, fondatrice de Dakar Design Up et Bar Studio, et Madame Emmanuelle Jodan Adjouvi, DG Emma Style, DG Emma Mac, promotrice Emma Style Show. L'entrée unique, c'est 5000 francs, VIP 10 000 francs. Réservez vos tickets dès à présent alors en nous joignant au 77 239 51 75. Mirmangok, Mangok, ngook et sky benn nous y gaar ñu ngi woon soirée bu mag amal le 7 janvier 2023 Fofu Sal salle Auchan bi jàkkaarloog stade Maniang Soumaré bu Thiès bu 20h jotee ci guddi Thiès daal dina Ken la marque en pleine tendance